mbokk internet yi maa ngi leen nuyu di leen naan dal leen ak jàmm ci Kéwoulo tey amaat nañu mbégte bu baax a baax daal di dalal ci suñu euh, plateau euh, monsieur Aboubacar bi nga xamante ne moom mooy représenté F24 ci diaspora bi doon itam ki nga xamante ne moom moo di présent article 25 pour la défense et la sauvegarde de nos ressources euh, naturelles monsieur Aboubacar nuyu na la. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu di nuyu tous les téléspectateurs di nuyu Kéwoulo ak Babacar sama xarit ñëw naa tey si lokoom yi comme il me l'avait toujours demandé et donc j'espère qu'on va faire une bonne émission. <laughs> comme nous avons ko waxoon sànq F24 diaspora mm-hmm. euh, depuis que euh, a ngi que nous li nga que nous politique wala yi nga euh, Sénégal déjà wax ci rek li nga lecture bi mm-hmm. Sénégal c'est-à-dire ñun ci diaspora bi dañu dañu parti pour ñu au monde entier populariser la lutte du peuple sénégalais parce que nous dañoo que par exemple F24 la manifestation rek lañ permettre c'est au mois de mai depuis lors manifestation yi muy def on avait le devoir d'internationaliser la lutte. On est au Sénégal, on est le fait que notre démocratie est à terre, on est qu'on a attrapé des milliers de jeunes sur des bases très légères et en même temps, on jugé ou il est en prison. C'est là nous nous sommes d'accord parce que nous avons des pour manifester ce mécontentement, ce point de vue. Nous avons ici, t'es le prison, et soi-disant de la lac, soi-disant de la lit, nous avons une preuve, c'est-à-dire nous avons des charges euh, du procureur général nga chargé et automatiquement depuis six mois depuis huit mois depuis neuf mois tu es en prison qu'est-ce que vraiment c'est insupportable c'est pour ça que nous, on avait décidé tous les week-ends de faire des manifestations dans toute la diaspora notamment en France week-end bu a à une manifestation à la place de la République ou à la place euh, des droits de l'homme faut on explique un peu situation au Sénégal mm. donc ça c'était vraiment nous rôle expliquer que nous devons faire pour que la démocratie Sénégal euh, se relever un peu par rapport aux attaques de ce régime-là par rapport euh, aujourd'hui aux emprisonnements par rapport aujourd'hui à ce que nous baillons. quoi c'est là ñun nous sommes d'accord parce que nous du démocratie Mm-hmm. am na ñu bëri sa ñi nga xamante ne jàpp nañu ne ñi nekk ci diaspora bi ñoom ñoo doon poussé ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon fii ci Sénégal maanaam ci événement yi nga xamante ñoom ñoo fi ñu doon xew pour ñooñu dem euh, ci li nga xamante ne moom moo di ay manifestations yi noonu qu'est-ce que vous répondez ak euh, ci accusation yi kooku c'est du n'importe quoi yow yaay jógal sa bopp nga ne lii c'est quelque chose qui m'engage, intérêt citoyen, le man beaucoup parti politique. Moi, je travaille pour l'intérêt général. Et pourtant, je fais partie du F24 en tant que société civile. Pourtant, man beaucoup me un parti, man la plupart des gens C'est-à-dire, en, France, ni de nous, de assumer le devoir citoyen, de nous assumer que démocratie, est y'a cohérère à C'est-à-dire, démocratie, politique, l'union mieux cohérée, yo, nous élire pour que nous gérer les, les, besoins de la société, l'économie et autres, etc. Mais euh, la démocratie en tant que telle, yow est-ce que nous ñu koy gérer gérer tu dois aller dans la rue L'homme montagne, souvent euh, le peuple dans la rue en réalité c'est lui la loi pourquoi parce que le peuple dans la rue fait exprimer ou ne les ma ou wax wala ngeen ma bëgg donc bu son expression donc il permettre c'est d'aller vers son expression et ce ko deful sur amee ay élection le peuple dina Nadal sa kaw de telle sorte que kenn du la mhm. monsieur Abouker, président de la république Macky Sall bu mu demee euh, ci euh, Londres gis nañu li nga xamante non la ko diaspora bi accueillir manam euh, yore ay pangar dem sax ba yuuxu ko ba mu ñu bari ñaawlu jàpp ne li nga xamante mom lañ fa wane mënoon nañ xaar bu ñibbisee fi ci réew Sénégal ñu daal ko koy def mais ñu bari tam jàpp ne peut-être que li nga xamante mom la diaspora bi def c'est parce que au Sénégal n'a pas eu l'occasion pour def ko ko li nga lu mel ngeen def ko ko ki nga xamante mom di président de la république loolu itam mhm. Non, non mais c'est de bonne guerre Je vais rek ma exemple ça fait 39 euh, ans même 40 ans je suis à l'étranger pourtant les questions sénégalaises m'intéressent au plus haut point euh, que ce soit dans les associations, que ce soit au plan des élections, etc., j'interviens toujours pour l'intérêt général. Mais man, Moussouma résidence de l'ambassadeur. En 40 ans, Moussou invité. Les fêtes du 1er avril, Moussou invité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les politiques en général, si nous la direction de ce sont des gens à eux qui sont entourés. C'est les associations autour d'eux qui sont entourés. Nous, nous sommes Donc, mon, France, Bomoui invité au niveau de la résidence beaucoup de militants de l'APR ils sont ils ont eu 30 33 aux dernières élections 33 de 70 000 électeurs c'est pas rien c'est pas rien mais Solène mobilisé dans une rue ça fait beaucoup de monde Solène, leen à l'intérieur de l'ambassade la résidence de l'ambassade comme si c'était ta famille et les gens qui sont dehors qui s'opposent à ça tu les as jamais invités, tu les as jamais écoutés. Un président de la République, si nous sommes dans un pays, nous ko faral, Il ko dul faral. vous êtes tous mes enfants, je suis le président de la République, venez vous exprimer. bàyyi vous di pas ci mbedd bi di déranger tout et tout ça ñëw leen dugg ci résidence bi yéen ñëpp ngeen toog nañ waxtaan man ne d'accord avec vous, je dama koy assumer comme ne suis d'accord avec vous. mais invité il a toujours invité que ses partisans il ne parle qu'à ses partisans donc de ce fait là quand toi, tu vas l'attaquer dans la rue, avec tes pancartes, dans les hôtels, les déloger, c'est de bonne guerre. C'est en fait pour s'exprimer et de dire les images dans les pays de la diaspora, faut nous Ces images-là sont fausses parce qu'on est majoritaire, on l'a rejeté et que l'image image on est dans les résidences, comme quoi il parle au Sénégalais, il parle qu'à ses composantes, soit le plus souvent communautariste, soit le plus souvent politique. Donc c'est normal c'est normal que l'on puisse s'exprimer autrement que moom lu def parce que mosuñu recevoir. F24 bi nga xamante ne ci nga bokk gis nañu taxawaay bi nga xamante ne la Amone au fur et à mesure ñu gis yeneen courant wala yeneen mouvement yoo xamante ne jur nañ ci lu mel FIT wala LACOS est-ce que c'est parce que F24 dem na ba benn ins euh, defatul wala gisuñu ko ci taxawaay bi nga xamante moom la ñu war moo tax ñu gis yeneen courant yoo xamante ñëw nañ dolleeku si. xam nga politique dafa doy waar c'est-à-dire que F24. Si koy mettre en place euh, société civile moom benn mot d'ordre la amoon mooy jàmm gën troisième mandat hmm. ñun troisième mandat bi lañ doon xeex ñu gis en même temps ay partis politiques plusieurs tendances plusieurs cadres Nous ngi troisième mandat mais nous ñu ne dañ si nous yokk ay points Nous nous ne ñu regroupé wu Dorondo, Khachando, Mugun, ça va faire reculer le président. L'histoire nous a donné raison. Mais pour que nous acceptions de monter F24, il faut que New York ici trois points. Question euh, des élections inclusives, question des prisonniers, question aussi euh, traçabilité dans les élections, que Moudemeyon et tout, etc. Nous ne sommes tout à fait d'accord, nous sommes aussi. Nous avons une points, politique idée donc nous regroupons, nous Nous plus de 185 mouvements citoyens partis politiques personnalités indépendantes Dougsi, syndicats représentants syndicats Nous avons 186 187 et nous mettons en place ce qu'on appelle le F24 Nous mieux signé charte nous avons signé Nous dem dem dem premier point Les léegi mu les trois points les politiques qui nous avaient dit nous dañu besoin ñu yokk ci charte bi ñetti point ñu bëri ñëw en pointillé un pointillé, comme avons reculé le troisième mandat bi président bi reculé c'est très bon pour eux ñu dañu bayyi trois points mais en fait gisatuñu leen ñëwatuñu dans les réunions nous ñëwatuñu dans les plénières les plénières qu'on faisait avec les journalistes qui arrivaient do am sax place moi, je n'étais pas là, mais je voyais les images. Donc, Amsar Place Foytok, parce qu'il fallait mettre 180 personnes. Kounek, politique Bounek voulait se faire voir. Mais les mais mes une réunion plénière, il y a beaucoup de places. Il n'y a que des sièges vides. Il y a les gens de la société civile qui sont là en général, avec deux ou trois ou quatre représentants de partis. Il y a à peu près une vingtaine de partis politiques, simplement, et de mouvements citoyens qui aujourd'hui travaillent au sein du F24. Donc ça veut des nous, en fait, en réalité, ils nous ont imposé les trois points, mais trois points eux, ce pas dans leur objectif, puisque le premier point règle l'intérêt. Mais ce n'est pas grave. Nous, on continue à travailler dès lors que yo avons F24. F24, Dakhul Ken. Yo Yassi Dougon, Yassi Genel Sobo. Si vous voulez faire trois points issus de ce guerre, si vous voulez, place, sa place. On continue le combat. Il se trouve qu'entre-temps, F24 essayé à plusieurs reprises de travailler sur la question des prisonniers. Vous avez vu, à chaque fois, on nous refuse nos manifestations. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre On ne peut pas dire aux gens, venez, on va braver l'État et sa force et qu'on va quand même faire une manifestation. On ne représente rien en termes de nombre. D'accord En termes de nombre. Mais on a continué à mener le combat dans la diaspora. On a continué à mener le combat à l'extérieur, on a continué à mettre le combat dans les plateaux télé tout ça, etc. Mais, bon, nous sommes ñu question prisonniers c'est notre priorité question élection inclusive c'est notre priorité la question des élections aussi est notre priorité parrainage nous. Nous, on est contre le parrainage par principe parce que parrainage à chaque fois sur avez dem élection il y a eu des discussions avec toutes les parties prenantes pour aboutir à des consensus consensus sur fort Nous depuis 1992 quand on a mis le code électoral il y a eu discussion pourtant à l'époque Abdou était majoritaire à l'Assemblée nationale Nous avons pas régler à l'Assemblée nationale avec sa majorité mécanique des Foucault, ñu mais depuis que depuis que euh, Macky Sall est au pouvoir il change le code électoral nous nous connaissons avec sa majorité mécanique c'est-à-dire, il ne nous permet pas de nous exprimer. C'est comme ça qu'il a rentré le parrainage dedans. Vous vous souvenez, quand les leaders sont sortis et tout, il les a tous emprisonnés dans la journée, il les a laissés mm. Il est allé les cueillir chacun chez eux. Donc, ça veut dire que le parrainage, dans la manière dont il a été mis, n'est pas consensuel. Donc, par principe, on est contre le parrainage. On n'est pas contre le filtrage des élections, mais on est contre ce parrainage qui nous a été imposé. Au lieu que parti politique est top pour nous, nous ils ont tout de suite vu leur intérêt comme d'habitude c'est man de bëgg bokk man dem élection yi amuñu c'est trop tard c'est ceci c'est cela ils n'ont pas mis en avant l'intérêt général tout de suite ñu dugg ci parrainage comment commencé outil parrainage Nous, on s'est dit dans le comité exécutif nous leen bàyyi ñu def puisque nous sommes yëf nous par principe on est contre beaucoup ci waaye suñu nous donc on a essayé de faire des des réflexions ci on a essayé de les réunir et de leur dire là où bloque le parrainage, les problèmes où ça bloque et là où il faut travailler, qu'ils s'unissent pour travailler sur ces questions-là. À partir de là, on a attaqué la question fondamentale, à savoir les réunir, tous les candidats des F24. La dernière fois qu'on a fait le, pointage, il y a 43, 43 candidats à la candidature pour les élections présidentielles qui appartiennent au F24. 43 candidat à la candidature. 43. Sauf les 43, 6, et quelques pourcentage du fichier électoral. Ça fait 48 000 à peu près. 43 fois 48 000, ça te donne un fichier, une base de données importante. Sur cette base de données, sur une Siligé et sur une on peut déjà enlever les doublons entre nous. Donc la probabilité pour que Sunuga et Dial, elle est très grande. Parce que les doublons entre nous, on l'aura évité. Il restera que les doublons avec les autres que le Conseil constitutionnel aura retenu. D'accord On a mis en place un système pour travailler là-dessus. Au même moment, on a vu la création de FIT. FIT Mounet, il travaille sur ça. Nous, on travaille sur ça. Mon Mounet, Daniel Ligue ici F24 nous si on attend qu'ils nous disent quels sont les points qu'ils font que nous, nous si on a été concrets. Le logiciel est là, on est en train de travailler, on est en train de travailler sur la cartographie électorale. Donc, l'Union def pour que les candidats à la candidature, ou pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, on le fait. Mais la politique, c'est que les politiques ont le droit de créer ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Aujourd'hui, parti politique, nous nous réunir, créer l'ener. Mais après, il faudra qu'ils justifient pourquoi nous créer. Ce n'est pas à moi de te répondre. Ce que je voulais te dire en étant un peu long, je m'en excuse, c'était pour te dire que nous, on est resté dans la cohérence, on continue à rester dans la cohérence. Que pour que créer l'ener, c'est ton affaire. Lacoste, ça n'a rien à voir avec le F24 parce que Lacoste, c'est une coalition électorale. Nous, on n'est pas une coalition électorale. On est un cadre

processus hmm. non mais ça veut dire simplement qu'il faut il faut croire que c'est justice Il y a des hommes intègres il y a des juges intègres il y a des procureurs intègres il y en a d'autres qui ne travaillent pas pour l'intérêt général mais que tu le vois dans toutes les corporations ceux qui sont gendarmerie am pareil. pareil qui dans la fonction publique pareil pareil mais je trouve que c'est de l'oxygène. Ils ont oxygéné la vie politique sénégalaise parce qu'on on est fiers. On est fiers d'avoir eu le juge à, à Ziguinchor, d'avoir eu ce juge euh, que j'ai vu de vive voix. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé pendant toutes les plaidoiries, du matin au soir. Mais vraiment, il ne m'a pas donné quelqu'un de faux d'ailleurs Maud était à côté de moi le coordonnateur euh, j'avais Janté qui était à côté de moi qui fait partie du CE du F24 je leur ai dit moi le juge là je le sens bien parce que nous Gisei, c'est quelqu'un qui a écouté très religieusement qui a pris des notes qui même quand l'avocat est euh, là jouf à parler pendant 45 minutes, une heure de temps, à divaguer, à sortir des provocations. Il l'a, il l'a recadré plusieurs fois et, ça, et tu sentais même dans son expression que ça l'énervait. Mhm. Il, voulait montrer un peu à El tu n'es pas ici euh, au marché de régler des comptes, tu comprends Mais néanmoins, il l'a laissé parler pendant 45 minutes. Et à la fin, quand les plaidoiries étaient terminées, les avocats de Sonko ont demandé des précisions qui étaient très importantes parce que, euh, parce que par rapport à l'angle d'attaque des avocats de l'État, ben, il leur a permis ça. Il aurait pu refuser. Il aurait pu dire, je vous ai donné 4 heures de temps chacun, maintenant c'est bon. Mais il a dit, non, non, si vous voulez la clarté par rapport à ce qu'ils ont dit, je vous donne 30 minutes à tous les deux. Il a redonné 30 minutes et il a écouté encore religieusement. Et il a dit, calmement, je vous donnerai ma décision le 14. En sortant, il y en avait qui n'étaient pas contents, mais je l'ai dit, les gens, soyez raisonnables. Mmh. Il y a eu des pendant 8 heures de temps des plaidoiries. Des gens ont parlé dans tous les sens. Il y a eu des angles d'attaque différents. Il y a eu des stratégies, différentes de la part des deux groupes. C'est normal que le juge prenne du retrait pour, réfléchir. D'autant plus que les avocats de l'État disaient au juge, tu ne peux pas revenir sur telle ou telle question parce que ces questions ont déjà été réglées par la Cour suprême. Tu mm. n'as pas ce droit-là. denko ko joxoñ, juge oui, presque menacé quoi. Si vous écoutez bien les plaidoiries, ils ont dit au juge, c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai eu peur, je me suis dit, mais si ça c'est vrai, c'est grave parce que la partie de son Sonko avait pensé qu'il y avait une cassation totale et qu'on revenait à zéro sur le dossier, qu'on a cassé les résolutions de Ziguinchor, que la Cour suprême a cassé les résolutions de Ziguinchor et on partait à zéro, on repartait sur tout. Or, l'État, les avocats d'État disaient que non, c'est une cassation partielle, tout a été validé pour eux, il ne restait plus qu'à expliquer la problématique de la publication. Donc il y avait des enjeux très terribles. C'est pour ça que j'ai mal vécu ces 48 heures, parce que je n'étais pas très à l'aise, mais heureusement, ce juge a été d'une correction, d'une exemplarité, et je pense qu'il s'est basé sur le droit, parce qu'il a écouté tout le monde, et j'ai dit, Alhamdulillah qu'il a pris la bonne décision pour nous. Mhm. Ousmane Sonko est réintégré euh, sur les listes électorales, tout comme euh, Sabassil Faye l'avait décidé à Ziguinchor. Mm-hmm. Maintenant, la grande question est-ce que li nga xamante ne moom décision de justice bi n'est pas exécuter parce que déglu que maître El à sa sortie Voilà, euh, bi euh, juge bi décision ba pare dafa xamal ne décision bi duñ ko appliquée. et lu ñu lu mel noonu tamit la ñu waxoon ki nga xamante ne moom judiciaire de l'État. Mm-hmm. bi Faye décision bi est-ce que décision bi nañ ko appliquer. maître El Hadj Diouf soo leen dégloo sa plaidoirie il disait que les avocats de Sonko ont été battus deux fois, deux 0 et que ce sont des jeunes avocats de l'État sénégalais qui ont battu une équipe internationale, c'est-à-dire les avocats de Sonko étaient, étaient une, composition internationale et qu'une composition locale avait écrasé. Je crois que maintenant, il doit, un peu avoir de la retenue et savoir qu'un État qui n'applique pas les résolutions, il y a eu la résolution du juge euh, à il y a eu celle du procureur général, euh, au niveau de la Cour suprême. Il y a aujourd'hui encore le tribunal instance de Dakar. Objectivement, objectivement, l'État sénégalais doit l'appliquer. On n'acceptera pas ça. Parce que c'est ça que je dis. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas une question de défiance à l'État, ni défiance aux autorités. C'est qu'un État est là pour appliquer les résolutions de la justice, quelles qu'elles soient. Et donc moi, je pense que ce n'est pas à El Ajouf de faire le perroquet devant les, la presse c'est au peuple sénégalais de prendre ses responsabilités. Si on ne remet pas Ousmane Sonko dans ses droits pour qu'il puisse participer aux élections, le peuple sénégalais doit assumer ses responsabilités. Nous ne pouvons pas accepter que la justice donne raison à Ousmane Sonko, que ces élections doivent être inclusives et qu'un seul président de la République qui a pris pour objet mon parce que le peuple sénégalais l'a poussé à qui se retire en disant je me retire mais Sonko ne participera pas. Lolo de fait, nuit respecter loi si tout le monde participera aux élections et au conseil constitutionnel de décider qu'un module participer ou pas selon les actes déposés alors bu fekkee ne li nga xamante ne moom moo di état bi bañ na exécuter décision bi ñu mel euh, xam naa ne fii dina am euh, plan d'action action bi nga xamante ne vont le mener mais vous au niveau de la diaspora parce que gis nañu récemment taxawaay bi nga xamante ne moom ngeen ça a beaucoup beaucoup impacté. ci li nga xamante ne moom moo di. doxal affaire bi ban ban taxawaay am au niveau de la diaspora pour euh, pousser l'État à accepter wala à respecter la décision. mais mais nous allons interpeller l'État dans toutes les juridictions internationales. Nous irons à l'ONU, nous irons à l'ONU au niveau des États-Unis, nous irons en Suisse, nous irons en Belgique, nous irons partout. Cette communauté économique européenne qui nous envoie des gens pour, disant, vérifier nos élections là. Hein? on va leur dire, voilà ce qui se passe. Donnez votre position dès maintenant, parce que venez nous envoyer des gens qui vont passer dans les bureaux de vote. Ah oui, bureau Biwaroulon oubi, parce que le président du bureau n'est pas là. Ah oui, là, là, là. On va un rapport un mois après les élections et on valide les élections il faut arrêter avec ça. Donc nous, on va demander aujourd'hui à l'opinion internationale et aux juridictions internationales d'obliger l'État sénégalais, comme nous obligé Macky Sall à reculer, parce que nous devons que nous appliquer les lois correctement. Mm-hmm xam fi nga xamante ne foofu la ñuy daanelee wax bi dégg nga li nga xamante ne moom euh, accusation ñu porté woon ci Ousmane Sonko. Mm. qui porte sur les fonds Qatar yi ñu tudd si France bi nga xamante ne euh, foofu nga dëkk. Euh, ban ban lan ngay wax par rapport ak loolu est-ce que jàpp nga ne France vraiment dina impliqué wu ci mbir bu mel noonu. non mais la France c'est un État qui s'intéresse comme tout État qui s'intéresse à la géopolitique le Sénégal est un pays qui les intéresse de par rapport à ses ressources, de par rapport à sa position géographique, de par rapport aujourd'hui aux alentours de tous les pays qui ont été déstabilisés, etc. Parce que pour commercer, tu commerces dans, dans, le, dans la paix. Pour commercer, tu commerces avec des gens que tu connais, etc. Donc moi, je peux bien comprendre que tous ces États-là, ont des choix, n'ayons telle personne le mais c'est peuple sénégalais de s'exprimer. Or, comme le système parlementaire, à savoir on vote un homme, une voix, et et c'est leur système à eux il va falloir qu'ils montrent à l'État sénégalais aujourd'hui ce système-là tu dois le respecter quelles qu'en soient les conséquences merci beaucoup monsieur Aboukar. en tout cas je bi Oui, oui, donc je remercier. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pendant tout ce temps que je serai à Dakar, je suis à votre disposition quand vous voulez.